Fidèles auditeurs du studio Kalangou, merci de nous recevoir dans ce nouveau numéro de l'émission Le Niger sur Kalangou. Pour vous accompagner aujourd'hui, je suis Kaitop Draman avec moi Habiba Ahmed. Du côté de la régie, nous avons Amina Hassan à la technique et Moussa Hassan à l'édition. Bonjour Habiba, ça va Bonjour Ruki, ça va très bien. Alors, fidèles auditeurs, pour vous informer et vous divertir les 60 prochaines minutes, vos rubriques habituelles, le flash d'information, la rubrique hebdomadaire, la page sport la rubrique Portrait, le loti du jour et de la musique 100% nigérienne. Nous suivrons un entretien sur le groupement Alheri, un groupement des femmes de la commune de Timia, une oasis montagneuse. Nous aurons l'occasion de faire un tour dans un instant. Chers auditeurs, nous commençons cette émission avec le flash d'information présenté aujourd'hui par Habib Bougarba. Bonjour Habib. Bonjour Ruki, bonjour Habiba, bonjour auditeurs, auditrices des programmes des studios Kalangou. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'Administration du territoire, le général Mohamed Toumba, a, dans un message publié hier lundi 30 septembre 2024, invité les populations à la mobilisation afin de contrer les velléités déstabilisation des pays de l'Alliance des États disraël ASA Le ministre Toumba a rappelé, je cite, Depuis les événements du 26 juillet 2023, notre pays a remporté des différentes victoires sur les impérialistes et leurs valets locaux grâce à l'engagement de toutes les filles et tous les fils du Niger. Notant que, face à notre détermination, toutes les tentatives de déstabilisation de la marche vers notre souveraineté ont échoué. Ces dernier a poursuivi le ministère de l'Intérieur ont changé de stratégie de stabilisation en instaurant une psychose dans les grandes agglomérations de l'ASA, e comme ce fit récemment le cas au Burkina Faso et au Mali, où ils ont lamentablement échoué. Aussi, le gouverneur de la région d'Ottawa, le colonel-major Omar Tawaya, a présidé hier à lundi 30 septembre 2024 à Ottawa la cérémonie d'ouverture de l'atelier sur l'initiative Finance Biodiversité. Il s'agit d'un programme de soutien à divers pays qui entend identifier les financements publics néfastes ou positifs pour la biodiversité. Il est mis en œuvre par le programme des Nations Unies pour le développement, PNIDA, grâce à l'appui financier du Royaume de Belgique. Ce programme vise à développer les outils, les outils de financement innovants pour euh, la biodiversité permettant d'augmenter les ressources dédiées et aligner progressivement les dépenses publiques euh, sur les objectifs de la biodiversité. Je n'ai pas encore fini. Euh, du 1er au 7 octobre, c'est la semaine mondiale de l'allaitement maternel avec le soutien de l'OMS, l'UNICEF et de nombreux ministères de santé et des partenaires de la société civile. La semaine mondiale de l'allaitement maternel est organisée chaque année durant la première semaine du mois d'octobre. L'allaitement maternel est un moyen le plus efficace de garantir la santé et la survie des enfants. L'idéal est d'allaiter la quasi-totalité des nourrissons de moins de 6 ans, de 6 mois exclusivement au sein. En 2018, une résolution de l'Assemblée mondiale de la santé a approuvé la semaine mondiale de l'allaitement maternel en tant que stratégie importante de la promotion de la santé avec un thème différent chaque année. Elle vise à promouvoir les environnements favorables qui aident les femmes à allaiter, y compris le soutien des communautés sur les lieux de travail avec la protection adéquate et prévue dans les politiques et, les, et dans les lois des pays, ainsi est de partager aussi des informations sur les avantages et les stratégies de l'allaitement. Enfin, je suis arrivé à la fin. Merci Habibou, passe une excellente journée. Merci aussi. Nous l'annonçons tantôt, nous suivrons un entretien sur le groupement Alheri, un groupement de femmes de la commune de Timia. Mais avant, Habiba, savourons le premier titre de notre playlist euh, Mugu Magani de l'artiste Ali Jebou. est un trésor national du Niger dont la musique a transcendé les frontières et a joué un rôle majeur dans l'épanouissement de la culture nigérienne. Sa voix mélodieuse et ses paroles inspirantes ont captivé les cœurs des générations de mélomanes. Son engagement envers l'art et son dévouement à préserver la tradition tout en explorant de nouveaux horizons font de lui un pilier inestimable de la scène musicale nigérienne. C'était Mougou Magani de l'artiste Ali Jibo. Donc après cette pause musicale, chers auditeurs, retour au studio pour l'entretien du jour. Et dans la première partie, nous allons parler des activités que les femmes de Timia exercent, qui sont entre autres la fabrication de nattes et le pâturage. Elles sillonnent toutes les montagnes pour faire paître leurs animaux. Les bergères en profitent pour confectionner eh, également des nattes et autres accessoires à base de palmier doux. Pour vendre ces produits, elles les amènent au marché hebdomadaire de Tefaro et autres villages. Elles les transportent sur le dos ou à dos d'âne. Mais les mais l'écoulement de ces produits reste un problème. C'est avec ces activités qu'elles subviennent à leurs besoins et ceux des enfants. De ce fait, elles se disent satisfaites de leur activité. Écoutons Tumadan Al-Hassan, présidente du groupement Al-Heri. شن اللي نسقو أرن كومين تيميري تزلن سنتا تزارت أقل أتوقع سقل اللي لنا ترغى عن والنا تجينا الدلموس خاشي لار توقع سقل كل الشغل نسنا أمر اللي أنا تجعد تنصان أكل دعانا ترتي ولنا تنا الشغل نسنا تاجي تازاتي زاتنا تسالتي كاننا الصنفاتي كاننا التلكو خاشي لقاننا تفوق عن قاننا بتكوتا أطوان تزل تاجي ورتت لا تصغر على قيان ما شيء لا صدق على قي حاش تجي من تجروا تقروم حاش التزل تنشروا ده تلي روان را تزل تجين التزل تن كرشي ده هن تزل تيتا هذا كاننا ترتون كرشي ده ون إن كان تزل تنا مرد فا أرتنا مرد الغا ورق قدق تيمي دي مرة تجين تيلا تنشنا تبرر تنشن دقزن دي ما غلا كون نرو مرد أرتان شغل نكني تزل ده دين تنقل rilye gonta gina chile gonchirode salluko marda tem chagta ilmadna tazalna fusta gina kanina ta kureshi ten kanina dera ten hashil cha tagina telada warilan chqura chqura da warilan arta warilan way chqura yifirgan lana ticha tagina ta laga afaragan tam taqast sanadas warga chqura dalin arto atna aknina tagenya gyan yugur do warila dqash gazman anda batash gas tegadarne tagruwin artin benanya ما أجا الشغل وارن تاجي دولي دين كين أجا الشغل تاجي تجارو ما دستن فا جارونا تك أما استلي تاجي يا لقيا ناس تتكنيس أرتونا تكنيقا تكيقا دل تقصو كان تنكيقا تكسو كان تنكيقا تلقيا تسيب بيقا ألقيا تويا جندها لقى مرة تجيك جزنديس متجمعين ويرنا وما كين تندعس أكلي كيان تناوي أساسا كاشن توسين زين تاسا بتسمجنا تعرقنا في التكلم كاتم تورتنا لن إجان أمناس جرا على ألوقيا تجروا يكن كرمونا دد جزنين دين الزمان الزمان وألوقيا تجروا ودموتوا يوم يعني كي تسيب بقيا بسترك يكلك وكيل الشك ميدون لنا الشك موينا السوق نستوى كاتم السوق ينها هات تفرودي ينها تبلوت አሬ ገደስ እንተወይተ አሬ ገደስ እድነ በሉ አሬ ገደስ አዳርሌ ክልን ቃ አርቶ አስተ ተከነተ ጊያ ትዝርግዛ አለ ተማወል ተወል ሰነ ገለድ ጋውን ተገም ተገለለ ሰኝስ ጋር ጋውን ደርገነወል ንዋር ተገፈለነ ጋውን ወርችላር ጋዋር ነው ማርደ ችማዋለ ሃና ተጋማስ ወልኒ انت جماعه لنتيني منتو اهري ولا انت ولي لما تكفر ولي جماعة رند لان تلان التجيني الغار توي جين رقوم أنت وي ولي دا شما ولي قوم أنت وي ولي دا لين الغار لان أنت ويان لا غيفر ضغطك سانكا لا غرتني في ديا أويل أنت أمر دا أجل واتجين دينكين ولي ما دايفر كمتى أنت زانزين تفهمت أنا كذا دينكو أنت نتشرب بزانزين أنت ما نسمع كاي أجل ما ولم وشوال تمدرنا تم وشبال كيم وسا أم وصلوا قيام آه، زنزي ترغز تزنزق قدم وصورة أم وتشكي مع سوى دوما ترجع تزنزق قدم كي عندك كيم عن نقرا فيلس استيدي فيلس تزنزل حياة وما زال استقنا ولا يتش أنت تما ولست ول الحياة ونتشنه أم وسكي تباس كي غرسان توسع تماسة مقر ولا يا ينقود ولا النكال أم وش طافر تنجر زنزل الحياة هو يزنزيرو يزنزير غرتما ولتي يا سديات تفتو alo qeen tama wal test na yanga waydo wahala tana yasan tishwa wahala isam daga tanno abo zeqinga alhaa nguna ta gaza khitili ala khi nirru to alo qeen tirru ta tili ala gas to tili altay wahala da wurti lanzad C'était une interview réalisée par notre collègue Ternan Foudé Ahmed lors de sa mission à Timia. Donc avant de poursuivre pour la deuxième partie de cet entretien, nous allons repartir en musique avec le titre Alher de Bambino. على شبابك انا يودو تراكنا كشيت رونديكستي تراكنا تنطرا فونكري تراكنا هاترون ديكستي لاردون تدرك الله قرطو تري يردونا كانترا كنا فونكري تراكنا هاترون ديكسينا لاردون تروكي كروكري انتو ما سيدك تلا À travers ces titres, Al-Khair Bambino appelle à l'unité nationale, rappelle à tous les Nigériens de promouvoir la paix, la sociale et aussi la tolérance. Chers auditeurs, on vous laisse quitter la prestigieuse guitare de la star Bambino. C'était le titre El de Bambino. Poursuivant avec notre entretien, ici la présidente du groupement Alheri revient euh, sur d'autres problèmes que rencontrent les femmes dans la zone difficulté liée à la santé et à l'éducation. Elle signale les manques d'agents de santé qualifiés pour tous les problèmes qui sont liés à la santé de la reproduction et des infections génitales. Pour ce qui est de l'éducation, nous faisons allusion au manque de titres pour les collégiennes rentrant en classe de 6e venant des zones reculées. Ces manques d'internat constitue un problème pour la scolarisation de la jeune fille. Par ailleurs, elle lance un appel vibrant aux autorités pour qu'elles apportent leur soutien à cette population. Écoutons Timadan Al-Hassan, elle est toujours au micro de Tarnan Fouda Ahmed. maanta na ciya da camhutar kan san lamarka camhutar wai zacan sa ni lene wai cin na sahatan takasa ike da sahatan takasa sar mu wannan sar sar sar wada iban cakura sar iban cakura di ban mugila i mugila nguna loqiya na da sana qarto hana likita tati inda cilla likita wai mugila nguna warge igu citta gesa dagiya alo qiyan taabta tila jikkaa taasin tawrtayri bu jikkaa zeetaf toolo qiyan iyo jikkaari wurtitila cirooren cintana tafnega ciroode wargiaqaasa arciya ndabaqaasa tegelmana manna kin kada taasaqin feele markeedu to markeeda zaman wargiyan kianna ada zaman yizray naadi nibda karti tega feele markeeda jilwa zaman yizray ndaba tileet keegi goninta cirooren warilen radio di warilen radio radio nkian tan cirooden di جنا قولا فتات تجيت الشغل وان جنا قولا وان شلون ورتلي ندي على فو انت بتقلي تكير ما ناس كغر تو تور مسلين تو كي ورجع تقول هذا تلي انا دور جت ازل تهانا الشغل ناس نتاذا ترى دينك ينا جاي تو تازا تاتا على قيان تتافا قد تزرق ترتلي دخس على قيان تاجي باتت نردا ورتلي شورتم خاطر نيبان صاحب مدرسه اسكي تلي تم خاطر وين اللي تعرف تمانين وي تباري eora eor chibare en tle chibare nek tle qane tle chibare mboko rwanda de wekhur boko chibare tamamo tumhaji tar tamana na dakhla kola gorla kon chibare nga dilane te de gwan sang o yin chibare sang ma yin chibare jagma de chibare unla chokola ni chibare chen ar tayna asina duara gale kor ger chengale worilene te de gni gus ami haytarna tsarna taqiwana tsarna tabaran tamta tabaran tamta tra temedi wani lena tertene cidede nara ana adi lena tere gwan sangas lena ta akiyan aji sante barne tere gwa ta boku artayna ta artayna ta shagat hana ta giwa ngiya awadi ngila han qor shagat han qor hana qor cibari wartile de tene tigyalla qwana wani lena giwa ngwan sang wa giwa ngale in cibari ciro den cina tidan tana tam ta hana an san trinkan kyan san trinkan san cibari ngas amarin kyan san kuratni wala tagga digirona yimuu zarane dagwasan asda mewenachi bararena dakhmatnat kula digirona yo digir inke marde yimuu zaran kawunda ne zarne kullu digirona te digirona dagwansan asartu ay dagwa inchi baran tama hay chirjin tafnas dakhtum ya de chadoran tagiznati don ne kewin ina tana farne chigus agala kan chimi agala manna sanga masanal artanguna nadde chiro dan gala atakara kichete demanya ngana أو أرنوا أرجعني كي جزء غير الدنيا مرة الزمان ودي تجس سياسة دي لا لا كي تجزنت تجزنت تسجل ورغني واكون سير مرة لأن تتشي أتشو الشرن إنشان تشين استجزنت الزمان الزمان نش بس تنجح تو تشين ورا هنا تكال دي بردي تورتها كال هي تهادي تها تها تمز قداس يا تا مرة أنت مرة أما سن كون سير أنت نتشي مرة تتجز تتجز كون سير تها قول لك تاتا تما تما شغال لك تهدي شقليتشرو رين فيري المنا ما نفيل نعم الشغل انتي شيت نكلي تو السافي انا دتشرو رين انت نشري لي مسألة ورت الله ري مسألة سلا وتشرو الله اللي سم مسألة دقا كارو تمكي وينا ثلاث متكتا ما دقا الكادين انت شو ما تنكل حكومه نجينا كلا لا ضوعنا نتشن ولا ده لانه انت نتيجي مسلا تنشن الغاغاس ورنقرا وانسان inkere laqayna gata karena fechinin tawarin nin warjin tawe wala jornari sanga war dhaqna maqas mana jila mana na mana idisa yawa mara qasab na mana idisa mara takureyti muzara nguni dasanta tishe wadam dana gada lakani tadal tadal chirorin tadal lana arana tad sanna taturtu urlena tumak chaqura dawrnila cha chibara ngarwa ngarana boko hana doyaynin ورلين بوكو تاتس الصغرين الشغل بعد هاندي جيوان تارق الشغل مرة تروى المسألة دي أقول تشي مع مسألة تلات ليت دون يعني كيو نزل في انتبار أنت مدرة يعني أدق مدرة لك ولا إجلس نتوري ورلين تيل ورلين تيل إلا إيه والنزلة تقسم يا ديتم خاطر في الجنة تيل تي تلي تي زازلا فنتنت تي دي ورطة تاويرنا ألغا ورغم مرة بوكو غاس تقزن تتوهد لغا تبارينا مرة addatu ge tegina tamannas na boko taba esteru adi akasante tiboko mannas na tibare mannas na teteru atanno nakka gama rakkat boko na dorge me dangas kichbe masala tanteru at asgrawna tme danna deme dandaranan sgrawna tme dangdnbet neteni war me dangdlen tagare aga masala yede wonnen ta asdteru ategin tasharo ansanto tabar tas tgazu astatna ida tabo ko ba tagma aga ben nangan Voulez-vous connaître les artistes nigériens Voulez-vous avoir des notions sur la technologie de l'information du cinéma nigérien Est-ce que la vie dans nos régions vous intéresse, ainsi que le sport, les questions de justice et de santé L'environnement et le changement climatique le portrait des hommes, femmes et jeunes nigériens. Alors câblez-vous sur votre émission Le Niger sur Kalangou. Le Niger sur Kalangou est une émission qui rythme la mi-journée du lundi au vendredi sur le réseau des radios partenaires de Studio Kalangou. Le divertissement et l'information sont au cœur de cette production. Habiba, il est l'heure pour nous d'entamer la rubrique hebdomadaire. Oui, Rokaya, à l'occasion de la journée mondiale de la rage célébrée chaque 28 septembre, la ville de a inauguré une campagne de vaccination financée par le CICR. Cette initiative vise à protéger les populations et les animaux contre cette maladie mortelle. Oui, et les autorités locales ont invité la communauté à participer activement à cette campagne essentielle pour la santé publique. Une large campagne de vaccination des animaux carnivores domestiques a été initiée à cette occasion. Le reportage de notre correspondant local, Guidi Abdrahman. Le gouverneur de Difa, le général Ibrahim Bagadoma, a souligné l'importance de cette campagne pour la santé publique. C'est pourquoi il appelle à agir ensemble pour prévenir la propagation de la rage, une maladie qui menace non seulement nos animaux, mais aussi nos familles. La cérémonie qui nous réunit ce matin a pour but le lancement de la campagne de vaccination contre la rage, couplée à la célébration de la journée mondiale de la rage. La rage se vit aussi bien chez les humains que chez les animaux et reste à ce jour l'une des zoonoses les plus mortelles. La journée mondiale contre la rage a pour thème cette année lever les obstacles à l'élimination de la rage. Elle nous invite à sortir des chantiers battus et à faire tomber les barrières qui se dressent sur le chemin de l'élimination de la rage. C'est l'occasion de sensibiliser le public et de plaider en faveur de l'élimination de la rage, maladie dans le monde entier. Quel que soit le mode d'action choisi, votre participation contribuera à faire pour sa part, le directeur régional de l'élevage Brema Halidou a rappelé le rôle crucial que jouent les animaux domestiques, notamment les chiens dans la vie. Protéger nos animaux, c'est aussi protéger notre communauté. Pour que les gens comprennent exactement de quoi il s'agit. Parce que quand on parle de vaccination de chiens, les gens pensent que c'est une complaisance. La journée mondiale contre la rage est instaurée dans le cadre de la santé Santé publique, pourquoi Parce que la rage est une zoonose, une maladie qui est partagée entre nous les humains et les animaux. Cette maladie est une maladie virale causée par un virus. Il est très dangereux. Il contamine l'homme à travers la morsure de carnivores, chiens, chats, chauves-souris et autres. Nous devons être vigilants parce qu'ils nous transmettent ça dès qu'il y a morsure, il y a un certain nombre de symptômes qui se développent au niveau de l'homme à travers une fièvre intense, la fatigue, la difficulté d'alimentation, des tremblements de muscles. Une fois que les manifestations se développent au niveau de l'homme, il n'y a pas de traitement, la mort est inévitable. Il faudrait aussitôt après morsure aller vacciner la victime. Ici, à Difa, nous avons eu deux à trois cas de Gingimi à Voilà les raisons pour lesquelles, depuis 2007, la journée est devenue mondiale. Les propriétaires des chiens ont également exprimé leur satisfaction quant à cette initiative. Pour eux, c'est une véritable opportunité de préserver leurs compagnons et d'éviter la transmission de cette maladie dangereuse. nan mun zo mu duba mana lafiyan karnukan mu ne eh gwamnati ta amince ta duba mana kuma mun yi marhaba da wannan abun mun ji daɗi mun zo mun kawo karnukan mu an duba mana ana musu allura ne na samun lafiyan su na rigakafi kuma in ba su da lafiya ma muna wa suna mana allura kuma suna samun sauki insha Allah eh da rigakafin karnukan mu ce mai suna godiya eh, kamar karnuka yanda ake zamantakewa kuma a cikin gida da shike su dabbobi kuma mutane muna tare da su gaskiya mun ji daɗin wannan abun kuma saboda zamantakewa da ake akwai cututtuka wanda da muka san karne suke kamuwa da shi wani lokaci to wannan allura yana gaskiya yana karewa sosai nima na zo da kare na bobi na samu allura kuma gaskiya na ji daɗi wannan allura zai kara mai lahiya saboda yau in ya ciji wani La campagne qui se déroulera sur plusieurs jours prévoit de vacciner un grand nombre de chiens et autres animaux susceptibles de contracter la rage afin de réduire considérablement les. Pour le prochain son, je vous propose Yetieta de Maliaro. c'était Maliaro avec son titre Yete Yeta. Fidèles auditeurs, on passe euh, au reportage des régions qui nous emmène à Maradi, n'est-ce pas, Habiba Oui, Ruki. Accès des femmes, jeunes et personnes en situation d'handicap aux terres agricoles est l'objet d'une sensibilisation par le Code rural de la région de Maradi et le COFO avec l'appui du PASEFA e dans la commune de Korafandakoro. takardar mallaka hilin noma ko kiwo musamman ma jinginar gona saye haya da makamantansu na ɗaya daga cikin abubuwan da ake waye ma al'umma kai da kuma baiwa mata yara ƙanana da nakasashi hakkinsu a ɓangaren albarkacin karkara na ɗaya daga cikin abubuwan da ake waye ma al'ummar yankin kwarnaka da kuma da'irar korhan kai ta hanyar Bazefa kwadurira da kofo a cewar agada kasusu ɗaya daga cikin ɗan komiti na hili manomi ya ce lalle su a yanzu haka ci gaba ya samu ganin cewa al'ummar da'irar koran tuni sun fara aiki da ba da takardu na mallakar hili saye jingina ko saidawa da kuma baiwa dukkan wanda ya cancanta hakkin shi musamman ma mata da yara ƙanana da kasashi. Saboda Allah mun samu ci gaba sosai. tunda daga farko samari duka cikin gidaje ne suke wuji guda suka su da uwayensu ana noma wuji guda ba a san uh, ci gaban shi ba amma yanzu saboda bit an kasan ci gaban shi an rarraba an fidda samari an hidda mata kowane yanzu ya samu yancin kanshi saboda yanzu akasari ma in mutum ya yi noman shi ya samu unhwani gare shi kana iya kai noman jari kuma kana iya kai noma na ci gida. e eh, kai noman jari noman jari shine wanda kana iya shibka gujiya da wake da yiɗi sai kai noman jari su kuma a nan ne a karkara nan ƙauye kana iya ka noma hatsi waɗanda ba kai su kasuwa sai dai kana dinga ci kai da iyalinka saboda lalle da farko ba a san ma raban gado balle a jihar da mata ba sai dai kowa inda shi ne shiriki kenan su mata da an masu arme sun ta gidajen majajen su babu don can su ce su samu wani gado cikin harkar babansu to amma yanzu mu bana ma ya faru ma gari mutum da da lokacin da ubanmu ya mai Allah mishi wa'adi da aka tashi raban gado duka sai da muka kirawo mata da maza muka ce ga kadar da ya mallaka tun daga abubuwan da ya baje aka je har zuwa rabon gonaki sai wata magajin ita ba tana wani kawai tana arimi ta ce su can garin su ba a ba mata gado ta ce ita ne tana taka muka ce a wannan ko ban da ma addini ya hana kuma ma proje su ma suna da haka nan suna cewa ya kamata a hidda ma kowa haki ne abin da ya shafi gado ne ko menene dai ko wasiya ubayi duka dai abin da shafi wannan anan shi tun da yanzu gaskiya bana fi sabilillahi dai mu da muka bangare wajen mu mace aka ba ta kashi guda namiji aka ba shi kashi biyu haka ne duka gaba ɗayan su wadda ba ta na a kira ta shi gani ta faɗa ta shi faɗa mata ce mata ga abin da an ka ba da naki miji in gwada miki sai tuta da ita shi gwada mata a nashi bangare mai gari muhammad na garin korahan ya ce, lalle sun tashi tukuru a yanzu haka wajen waye ma al'umma kai domin ya kasance duka in za a wani sai da gona ko gado ko makamancinsu mutane su zabura a wajen da'ira domin a yi musu takarda ta musamman. A nashi bangare Idrisa Hauru, magatakarda na kwadar Rural na jihar Maradi ya ce, lalle waɗannan takardu na da ɗimbin muhimmanci musamman ma da kuma baiwa mata yara ƙanana da nakasashi hakkinsu a ɓangaren arzikin karkara wannan shi zai ba da damar tabbatar da kwanciyar hankali da kuma samun mallaka hilaye a cikin ka'ida. kuma wanga takardu da kuke gani duk da yanzu nan wajen ai kaga wanga wanga wanga wanga wanga na conciliation ne ko mm. akwai takarda ta banta ko akwai individual haka rajista guda eh. na individual wanda in an sai dama mutum ɗaya ne eh, eh, akwai kuma na collective mm. nan ga in ƙungiyar mata ta sai wuri mm. ba sunan presidenta za a sa ba a sunan association su ne ake ce ma collective to a cikinsu kowanne ne wa'annan akta ɗin wa'annan su shida ne da na haya da na jingina da na badawa duka Mm. ana akwai na mutum guda akwai kuma na mutane da yawa eh akwai na fami eh, mm. famun kuce kuka gada ko gada ba ku rarraba ba eh, za mu yi takarda wannan gona wannan mallakan mace An aka tashi sunan fami din ku ake sa ba sunan ko babban wa ba ko wani wanga eh tunda ko da yaushe muna waye mutane kai mai kage ko mata wajen yin takarda mafi yawanci uwayen mata turawa suke ana musu takarda kuma matsalar da ake samu maza wani lokaci in suka shiga gaba sunayen suke sa matsala ne mai gari ai kuna ganin wannan ko abin da shahi takarda yanzu lokaci ya zo inda in kana son a tabbatar da wajenka ne ba bayani bane za a ce gaban wane da wane aka yi a takarda ce ke magana takarda ce an huce zamanin na a ce da wane da wane aka yi a takarda ce kuma wanda ke da wuri shi ake sa saman takarda shi ake sunan shi ake sa saman takarda a yi ta waye ma mutane kai surtu mata su da suke sawa suke suke turo maza eh, ko wani aiki za a yi bisa kan wajenka eh. haka itilite public hmm. da an zo ba da baki bane zaka ce ni ne mai wannan wurin hmm, hmm. shaida za ka zama da ita eh, shaida nan kuma ta dace. Dangance da dukkan irin wannan jan kokari wannan na bada shaidar cewa jar hankali ta fara tabbata a cikin jihar da na ganin cewa Le studio Kalangu, un projet de la Fondation Hirondelle financé par la coopération suisse, le Fonds international pour les médias d'intérêt public, la Grande-Bretagne et la Belgique. Chers auditrices et auditeurs, nous poursuivons le rendez-vous de l'émission Le Niger sur Kalangou avec du sport et notre chroniqueur sportif du jour, Hasumi Grouza, est avec nous. Bonjour Grouza. Bonjour Ruki, bonjour Abiba. Bonjour Grouza. Grouza, la sixième édition du TGV du quartier Sonici de Niamey a pris fin ce week-end sur le terrain du CG25. Oui, c'est l'AS Riyad qui a remporté la coupe devant Flamingo sur le score de 2 buts à 1. Au départ, 12 euh, équipes étaient en compétition avec euh, pour objectif principal de renforcer la cohésion sociale au sein de la jeunesse. Le rendez-vous est pris pour l'année prochaine selon le président de de ce tournoi. Grouza, les sportifs de la région de Dosso qui ont engrangé des coupes et médailles dans les différentes disciplines sont allés présenter leur moissons au gouverneur. Oui, Abiba, depuis quelque temps, les sportifs dossolais essaient de se frayer un chemin dans le monde du sport. Ils ont mouillé les maillots, les kimonos pour offrir à la cité des couilles des coupes et des médailles. En découvrant les médailles, euh, le premier responsable de la région de Dossou a félicité et encouragé cette jeunesse parce que la jeunesse de Dossou qui est en train de s'affirmer dans le domaine. Bon vent à eux alors. Et hors de chez nous, Samuel Eto, le président de la Fédération camerounaise de football, a été sanctionné hier par la FIFA. Oui, euh, Ruki, l'ancien attaquant des Lions Indomptables et l'actuel président de la FICA Foot est interdit d'assister aux matchs des sélections nationales de son pays pendant six mois. Il a été reproché un comportement offensant et la violation des principes du fair play lors de la huitième euh, des finales de la Coupe féminine U20 et qui a opposé le Cameroun au Brésil le 11 septembre dernier en Colombie. Voilà pour le sport. Merci bien, Gourouza, pour ces informations et à très bientôt. Merci. Bye bye. Habiba, on enchaîne directement avec le portrait du jour. Eh oui, les portraits de ce jour nous amènent à la découverte des plus jeunes joueurs de kakaki, un instrument de musique traditionnelle. Son nom est Omar Mekakaki. Il est natif du département de Madawa, une activité dans laquelle les jeunes deviennent de plus en plus célèbres. Reportage Mariamadi. Âgé d'une vingtaine d'années avec une taille moyenne et un teint clair, Omar Mekakaki est le plus jeune joueur de Kakaki au Niger. Un métier qu'il a hérité de son père. Il nous raconte ses débuts. Cela fait 11 ans que j'ai joué la trompette traditionnelle. J'ai 24 ans. C'était mon grand-père qui jouait cette trompette. J'ai trouvé mon père aussi jouer. Aujourd'hui, j'ai pris l'art Omar Mekakaki ne cache pas son sentiment de satisfaction. Cela lui a permis de faire le tour de plusieurs localités du pays. Il nous en dit plus. J'ai visité presque toutes les régions du Niger, sauf Difa. Même là-bas, je sais si c'est-à-dire, j'aimerais visiter la ville de Difa, j'ai jamais été. Notre chef traditionnel est fier de ça. Tu n'as pas besoin de te présenter. Dès que tu viens, on se cultive. Vraiment, ça m'a beaucoup donné de privilèges et c'est un véritable gagne-pain pour moi. Certes, aujourd'hui, le jeune est très connu à travers son kakaki, mais il garde toujours les souvenirs de ses débuts difficiles. Écoutons-les. Vous savez, dans la vie, tout ce que vous faites, on va toujours vous critiquer. Les jeunes n'ont pas la même vision. C'est un travail que j'adore et que je considère comme un héritage. Mamana, le père du jeune joueur de kakaki, s'est dit très fier de son fils car la relève est assurée. L'enfant là est en train de faire un bon travail parce qu'il est sur mes traces. Il joue très bien l'instrument et il fait la fierté de toute la communauté, surtout lorsqu'il joue chez les chefs traditionnels. Il fait vraiment un bon travail. Omar doit servir d'exemple aux jeunes qui délaissent les traditions ancestrales au profit d'autres cultures. C'était le portrait de Omar Mekakaki réalisé par Madi. Repartons en musique pour retrouver nos ban de l'orchestre 7 étoiles de Dalik pour vous, chers auditeurs. Une manière de bien boucler notre playlist du jour.

daran de, Renzi koi mabani tego me to omar walla go, Adaran chaizo mante zanto kulwate Mariganaiga bai makwai po Alwamba baba singane elo Après ce son de Dalik de l'orchestre Cette étoile, on passe directement au loti du jour. L'enlèvement des enfants, particulièrement les jeunes filles, est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur, notamment dans les grandes villes, une situation qui inquiète parents et autorités. La prévention à travers la vigilance, mais surtout la sensibilisation des enfants et leurs parents sont les meilleurs moyens de lutter contre ce fléau, comme nous allons le découvrir avec l'équipe femme du studio Kalangou. matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji matsukiji na ni ina zan sa kaina ne ina zan fara neman yarinyar nan na shiga uku mi zan ce ma babanta inda na sani wallahi da ban aikin ta kasuwa da ni da kai kaina zan je in so kayan miya na tun da sai har yanzu Jamila bata dawo ba Fanta Fanta me ya same ki kike magana ke kadai haka ni na azuma da wani kike haba kawata Jamila ce na aika kasuwa tun da safe har yanzu bata dawo ba me me nake shirin ji kuma kike zamna nan kina kuka na san dai kin yi kiran babanta ko haba laraba dan Allah ku mini asiri in faɗa muwa baban nata kina so aure na ya zo ƙarshe in na kuskura na gaya mishi da na aiki yan shi kasuwa ba tare da ya sani ba wallahi sai ya halaka ni sai da ya ce mini kan aiki yayan shi su kaɗai kasuwa. Fanta ranar wanka ba a ɓoye cibi wannan wani al'amari ne babba yaya za a yi ba kya sanar da ubansu ba to Allah ya tsare dai in wani abu ya same ta fa ha mi zaki zaki zamna kuma kina nan kina ɓoye mishi kin san da abun bai ɓoyuwa. ke kiraye shikin shi ko kafin nan ki duba kuma in akwai abokanta wa'anda kika sani na san kina da lambobinsu eh da Allah ɗauki wayata ki duba ki gani lambobin da ke fara da ƙawaye na rubuta sunayen ƙawayenta da Allah ki duba mini ni kuma zan je waje in duba an gani in ba ta nan tahi. To, na duba in ba tana gidajen ɗaya daga cikinsu ba. Ƙawata wallahi ba ta nan. Na ma tambayi ƙawayenta na cikin anguwa sun ce tun da sayar suka ganinta ta ce za ta je wata abu ke ta taraka ta kasuwa. To, madalla ai wannan ma wani sau ne to baki san wata abikiyar taba da take cikin wannan anguwar na san guda tana nan cikin waccan kwana ta uku sunan ta lamisi mu tai can koyar da mun iske ta to mu assalamu alaikum assalamu alaikum hm, kin ganta ke ko da kika ji muryata ne kika hito haka a guje ko menene wannan abun tun da sahi da aka aike ki biki dawo gida ba kuma biki kiran mutane ba ana ta neman ki kin ga tashin hankalin da kika kawo ma mutane ko tana nan uwarki baiwa Allah ha batta ma jin daɗin jikinta duk tarbi ta rikice kin san sarai tana da hawan jini in ya tashi fa haba dan Allah tantiki hakuri wallahi ba da gangan na yin shi ba kin san tudduwar na ƙare sayayya ta to abikiya ta ce ba ta samu wannan uniform kin ba shi ne samu kai ta bin kasuwa kasuwa sai daga baya da kyal muka samu a kasuwar tala don Allah tanti ku yi wallahi tanti ban tuna da haka nan bane bai zo min cikin kai ba da ya kamata ma in kira ku in shaida muku to da hakan ya kamata ma ke daga gaban nan in kika tsinci kanki cikin irin wannan yanayi ya kamata nan da nan ki kiran iyayenki ki haɗe musu ko da ma za ki ɗauki wayar wata ƙawar ki ce ki haɗe. to tante insha Allah zan kiyaye amma da Allah ku yi haƙuri mama kuma ku yi haƙuri. Hmm. wallahi Allah ƙawa yarinyar nan ta so ta kashe ni da sauran kwanaki na. cikin wannan zamanin na sace-sacen mutane yara na taɓata ha in ba Allah ba komai ya shigo cikin kaina babu abin da ban yi tunani ba na aza koma har an kashe ta an saida ta kamar wadda tantiki laraba ta gai wallahi ki hankali ba kina nan gaji na ba in kika tsinci kanki cikin irin wannan hali ya kamata ki kira mu ki gaya muna don hankalinmu ma ya samu ya kwanta kwanakin nan babu abun da bamu gani duniya ta zama yadda ta zama mutane wallahi komai suke iya yi saboda abun duniya har abun ga sai da mutane ana sace mutane ana sai da kayan jikinsu. Hmm. biki ma sani ba ana sace mutane a satin da ya gabata wasu maza biyu cikin motarsu suka so su gudu da wata yarinya da ƙawarta suna kan hanya za su makaranta Allah da ikonsa suka yi ihu sannan wa mutane suka nemi su cece su mazajen ga suka gudu saboda shi ni a kulli yomin in na samu ɗan lokaci ko kuma lokacin da muke cin abinci nakan jan hankalin yaran nan ha da farko in ce musu kadda. ku yarda ku amshi abin hannun namiji ko kuma na wani da ba ku sani ba kada kuma ku yarda ku tahi gidan wani sarmayi ko gidan wani abokinsa alhali shi sarmayi shi ya kamata ya zo wurin ka hira wallahi kina da gaskiya kawata abun da kika gayi haka nan ne mu iyaye ya kamata mu ƙara dubawa mu mai da hankali kwarai da gaske mu zan tuna ma mu da su ringa yin hankali su san inda suke sa ƙawahunsu don fashi kaɗai ne mafita fa a halin yanzu kina da gaskiya ƙawa hm, hankali kai shine mafita Allah dai ya tsare mu ya tsare yaran mu amin walla ƙawa to yanzu dai kin yi kiran uban ko a dole ina ga mishi tun da ta dawo <laughs> Voilà, c'était l'éloté offert par les desks femmes. Aujourd'hui, dans la rubrique culture linguistique, Maman Ada va nous expliquer les mots de traduction et à langue Hausa. Habiba barka da haka, eh, Rukaya barka da haka. Ayo, gaskiya <laughs> mm, wato ina ganin abin da zamu fassarawa traduction da harshen Faransanci fassara da harshen Hausa kenan. Wato wannan rana ta fassara ta samu asali ne bayan wani kuduri mai lamba 71 da 288 eh, da aka amince a ranar 24 ga watan mayan shekara ta 2017 taron majalisar ɗinkin duniya wato ya keɓe ranar 30 ta kowane watan satumba wato rana ta ƙasa da ƙasa ta fassarawa kenan a kowace shekara wannan rana ana karamata kamar a ranar jiya kuma idan ka ɗauki fassara fassara wato wani aiki ne na fassara kalmomi ko eh, wasu rugugi daga wani harshe zuwa wani harshe kuma in ɗauki misali akwai a ce wannan mata tana aikin fassara wani littafi wannan rana kuma ta fassara ta duniya wato wata dama ce ta karama maza da mata masu aikin fassara kenan ɗauki misalin a nan studio kalangu akwai maza da mata da suke kokari wajen tadda aikin su na aikin jarida wajen fassara wato labarun namu kenan wannan aiki ne mai muhimmancin gaske kuma wato wannan rana eh, tana da muhimmanci ganin yaba wato wannan aiki da su Merci maman Ada donc chers auditeurs auditrices si vous avez d'autres mots ou expressions dont vous souhaiterez avoir l'explication en anglais, en Hausa, en Zarma, en Tamashek ou en Fulfulde, n'hésitez pas à nous laisser un mot au 82 89 89 64 et justement nous allons écouter les messages vous envoyés par nos auditeurs. Vous écoutez le Niger sur Kalangu. Studio Kalangu vous écoute. Des idées, des questions, des suggestions. Tapez 82 89 89 64. Studio Kalangu vous écoute. Message des auditeurs. Assalamu alaikum suna na Malam Abdul Farizan na Association ta Donar da San Reshen Gunduma Arlit. Eh, Radio Kalango a kodon lokaci duk marece na Allah ina sauraron su ina jira gaskiya duk a cikin kasar Nijar kowace department kuna da wakilan ku. Gaskiya shirin ku yana kayatar da mutane a hakikanin gaskiya tsakani da Allah. Sai mu ce alhamdulillah Radio Kalango tana waye ma mutane da kai tana talakawa da kai birni da kauye bisa kan tahiyar da zamantakewa rayuwar zaman duniya sai mu ce nan masha Allahu alhamdulillah muna kai godiya ga station eh, radio kalangu eh to musamman dai gaisuwa ta ta farko dai ina gaida alhaji bubakar wanda ke da kes a ne bayan kumsiriya ta arlit first intervene ina gaida blende ina gaida na mamman gungu ina gaida na ada wanda ke can garin akokan ina gaida alhaji habu mai atamfa ina gaida alhaji zabaru alhaji dinar da ina gaggaida su ina gaida aliliyo ladanin mu na kominak Voilà, fidèles auditeurs, nous sommes à la fin de l'émission Le Niger sur Kalangou. Vous étiez en compagnie de Abiba Ahmed et moi-même Rukaito Abdraman. Merci à l'équipe qui a rendu possible la réalisation de cette émission, à l'édition Moussa Hassan, à la technique Aminaz. Avec une autre présentation, mais n'oubliez pas nos éditions à 5 lacs à partir de 17h. Bye bye.